Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous pour cette émission. Il est 11h à Niamey et c'est l'heure du Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Samira Wafi et Rukayetu Abdraman. Ce matin, la technique est assurée par Abdelkader Chambiano et à l'édition, notre-Dame de Fer, Adama Dawaki. Comment tu vas, Ruki Très bien, Samira, en forme ce matin. Oui, ça va très bien. Super, c'est alors euh, pour nous d'entamer une émission d'une heure bien garnie, n'est-ce pas Samira Et eh oui, Rokaya, le Flash Info plantera le décor. Ensuite, nous aurons nos différentes rubriques telles que le loti ou la rubrique justice comme chaque lundi. Nous aurons aussi un reportage région qui nous amène à Agadez sans oublier notre playlist 100% musique nigérienne. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons un jeune talent de l'humour web, j'ai nommé Adamou Yakuba Larwanou alias Wanuski Montana. Avec lui, nous parlerons de la comédie web et de ses ficelles. Et oui, c'est plutôt Amadou, mais bien évidemment, on aura aussi le portrait, la page sport. Et bien évidemment, avant de clôturer, on aura notre mot de la semaine en anglais et vos messages, chers auditeurs. Et bien, c'est parti pour une heure d'infos et de divertissement. À présent, suivons ensemble le flash d'informations présenté aujourd'hui par Nafisa de Bonjour Nafisa. Bonjour Kaya, bonjour Samira. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. Le Premier ministre Lamine Ali Mahman a rappelé ce week-end à Niamey la vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, qui repose sur quatre axes stratégiques. Il s'agit notamment du renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, de la promotion de la bonne gouvernance, du développement des bases de production pour la souveraineté économique et enfin de l'accélération des réformes sociales. Le document intitulé Pour le Niger a été mis à la disposition des vaillants peuples nigériens que le ministre a présenté en attendant le bilan de l'an 1 du chef de l'État. Dans leur bulletin d'information diffusé le 13 juillet sur la télévision nationale, les forces de défense et de sécurité ont annoncé que la plupart des détenus évadés de la prison de haute sécurité de Koutkalé jeudi dernier ont été capturés et d'autres neutralisés par les forces de défense et de sécurité. La zone est actuellement bouclée et les opérations aéroterrestres de ratissage sont en cours pour retrouver les évadés restants, précise la même source. Et pour rappel, le jeudi 11 juillet, en début d'après-midi, une mutinerie a éclaté à la maison d'arrêt de côte calais située dans la région de Tilabéry. Et profitant de cette situation, plusieurs dizaines de détenus ont réussi à s'évader. Enfin, une campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée le 12 juillet dans tout le pays. La campagne qui prend fin ce lundi 15 juillet a pour objectif de toucher plus de 6 millions d'enfants de moins de 5 ans. Selon le ministre de la Santé publique, le Niger est déclaré pays libre de circulation de poliovirus sauvage Toutefois, le pays fait face à plusieurs épisodes épidémiques d'autres types de poliovirus. Et les derniers virus sont repartis dans quatre régions, à savoir Difa, Dosso, Maradi et Zender. C'est la fin de ce flash d'information. Merci nefissa pour toutes ces informations. Passe une belle journée. Merci, je vous souhaite pareil. Voilà, chers auditeurs, on l'a annoncé en titre. Notre invité du jour, c'est Wanouski Montana, un jeune comédien web qui fait son chemin. Bonjour Wanouski, ravi de t'avoir avec nous. Bah, bonjour Samira, allez bien j'espère. Oui, ça, va. va. Donc euh, avant de, vous donner la parole Wanouski, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec le titre Ghetto de Barakina. J'ai grandi dans le ghetto. Ventre vide, je fais dodo. Car la vie fait pas cadeau. amour on fait la moula. Et la maman fait les doigts. J'ai pas peur, j'ai la foi. À maison c'est pas au Je suis pas pressé car je sais. Pas pressé car je sais que je te fais ma monnaie ta anga Ne jamais lâcher, avoir un mental d'acier. Mentalité chez big mes amis de la Guinée. suis pas pressé car je sais, Pas pressé car je sais que je te ma titre que vous écoutez la dernière sortie de l'artiste Barakina qui nous prouve à travers ce titre qu'il sait manier les mots pour la chanson tels que la trappe ou le rap et en langue diverse. Un coup d'œil pour les enfants du ghetto qui se battent jour et nuit pour s'en sortir, c'est ce que chante Barakina dans ce titre. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Ghetto. J'espère que vous avez kiffé. C'est le moment de retrouver notre invité du jour, Wanouski. Alors, commençons par des questions que peut-être on te les a déjà posées plusieurs fois, mais il y a toujours des nouveaux fans et de nouveaux auditeurs qui veulent savoir comment est-ce que l'humour en ligne a commencé pour toi. Euh, donc, euh, la manière dont ça a commencé, euh, c'est euh, à travers les vidéos de danse que je faisais. Parce qu'avant, je faisais la danse, C'est euh, ça que je faisais, ça qui plaisait aux gens. Après, j'étais parti au Ghana étudier l'anglais. c'est de là-bas, on s'ennuyait un peu avec un ami à moi. On a posé une caméra, on a fait des vidéos, on a posté sur les réseaux sociaux et bon, il y a eu un peu d'attention. on a continué et voilà là où on est aujourd'hui. Hmm. Et quels sont les sujets qui vous inspirent le plus pour vos sketchs et vos vidéos comiques euh, donc tout, tout d'abord la réalité quoi du pays, du, Niger quoi. On regarde un peu ce que les jeunes font, tu vois, ce que qu'est-ce que les gens vivent, mm. qu'est-ce qui peut être intéressant pour les gens. Euh, il y a aussi les sources d'inspiration quoi, comme Tonton Nour la manière dont il fait ses trucs, tout ça là. Euh, on suit beaucoup ce qui ce qui s'est fait ailleurs à l'international. Il y a des tu vois, des y a des il y a des dit humoristes stand up euh, il y a des vidéos, des, des, des, films comiques, tout ça là. À chaque fois que je regarde, je regarde avec un œil de ok, ça là, si on, au lieu de faire ça, s'ils ont fait ça, comment ça va donner Donc c'est de tout là-bas là que les inspirations viennent, quoi. C'est un peu de partout. Hein. Alors, quels sont les défis particuliers auxquels euh, vous êtes confronté en tant qu'humoriste web euh, les défis ok bon, comme, comme, moi je suis beau gosse, il n'y a pas beaucoup de défis. <laughs> bien sûr, c'est une blague, mais il y a beaucoup de défis dans n'importe quoi dans la vie. Mm-hmm. Je me dis que voilà, comment on s'est dit, ok, dans, dans l'art au Niger, quand il y a des problèmes, tout ça là, bon, on a un blocage de la tête quand on s'est dit que non, c'est impossible. Parce que quand on, quand on est venu, c'est pas un métier, quoi. Nous, quand on, est, quand, quand, on a commencé à faire, il n'y avait pas de gens qui se font de l'argent dans ça. Donc, euh, par chance, je, vais vais dire parce que comment ça n'a pas été facile, par chance aussi, des entreprises ont soutenu. Et quand il n'y a pas de soutien des entreprises, c'est impossible à faire. Quoi. Donc, mm. heureusement, nous, ils nous ont soutenus, on a continué à faire. Quoi. On a mm. continué à faire. Et aussi l'encouragement des gens, quoi. C'est très important parce que, euh, là, quelle que soit ta motivation, là, même si tu es Rambo, là, dans un film où tu, tu pars, tu tues tout le monde tout seul, quand il n'y a pas de gens qui t'encouragent, tu vas être comme découragé à un moment donné. Donc, le soutien du public, ça a été très important pour. Euh, pour qu'on affronte les défis quoi, qui sont vraiment peut-être matériels, euh, au niveau des acteurs, au niveau des il y a des parents qui n'aiment pas voir leurs enfants dans les vidéos. moi, j'ai dû supprimer beaucoup de vidéos juste parce que les gens, ils ont une mauvaise image, quoi, de... Bon, c'est aussi, bon, pas à tort, quoi, parce que euh, quand tu t'es sur les réseaux sociaux pour faire rire les gens, il y a de fortes chances que tu te ridiculises, quoi, en passant. Donc, euh, c'est pas... C'est pas évident, quoi. <laughs> Et quand même, ça reste de l'humour. Et on sait que déjà le monde de l'humour euh, commence à être saturé, beaucoup de personnes font des vidéos par-ci, par-là, surtout avec l'avènement de TikTok et tout. Comment envisagez-vous de vous démarquer ou bien qu'est-ce que tu fais pour te démarquer et faire la différence avec les autres Bon, au niveau du démarquage, moi, j'estime que bon, Dieu, déjà, a déjà fait le taf parce que je suis très beau gosse. Donc, dès que tu vois, tu dis, lui, là, il se démarque un peu. <laughs> Euh, donc, euh, j'essaie de, d'innover de, un peu, créer beaucoup de personnages. Il y a des personnages que les gens connaissent, par exemple DMX, euh, des fois je joue Pablo Escobar, des fois je, je fais même le Professeur comme dans la Casa de Papel, je fais, euh, je fais beaucoup de trucs quoi. J'amène euh, des personnages aussi dans les vidéos, pas centrés sur moi. Des fois peut-être tu vas voir Akil ou c'est lui le papa que tout le monde connaît dans les vidéos. Tu vas voir, il y a un Indien qui vient chaque fois venir faire ça. Tu vois, on essaie de... Il y, a, y a beaucoup de travail qui, qui est derrière, mais bon, tu vois, c'est on le fait avec plaisir, donc on ne sent pas quoi, mais on, fait beaucoup de travail pour rester intéressant pour les gens, ne pas ennuyer les gens. Par exemple, mm. quand la personne voit le nom Wanous qui monte sur la page, quoi, tu, as, tu as un peu confiance, quoi, tu sais que ah, le petit là, peut-être je vais me gratter un petit sourire. <laughs> Donc tu vois, c'est ça qu'on fait quoi, pour un peu garder l'intérêt de euh, de, des beaux gosses nigériens <laughs> et belles gosses nigériens. <laughs> en parlant de Akilula, pourquoi vous lui, vous lui attribuez toujours le rôle du père non, parce qu'il est efficace dans ses rôles. il est vraiment efficace et précis. Et ça n'a pas toujours été le cas parce qu'elle, Samira, elle sait quoi. On a beaucoup travaillé avec elle. Euh, au début, tu vois, c'est pas évident parce qu'il commence. Moi, je crois qu'il a tout, tout, ce que tu vas faire dans la vie. Si tu, le plus difficile, c'est de commencer et de se tenir à ce truc-là. Quoi. Si tu es persévérant, tu continues, ça va toujours donner. Quoi. C'est garanti. Même si tu es bête, tu es bête là. <laughs> Fais ça à répétition, ça va venir. Quoi. Et là, tu vois, il est excellent. Tu vois. Quand tu viens, il n'y a pas besoin de. Dès que tu lui dis un truc, dès que tu lui donnes un personnage, tu lui dis voilà, je veux que tu sois ta, ça, ça, ça, il peut faire le, tout de suite faire euh, le, planning dans sa tête. Il sait que voilà, dans la réalité, si je suis euh, le père de ça, là, je dois agir comme ça, je dois dire ça. Donc, tu vois, c'est efficace quoi. Il est mm. vraiment efficace dans le rôle, donc ça lui va bien et les gens aiment bien. C'est pour cela on lui mm. donne tout le temps le rôle. Et Wanouski, vous êtes euh, humoriste web. Qui dit web dit réseaux sociaux. Comment vous, vous les utilisez pour promouvoir votre travail et interagir avec le public euh, donc euh, la manière dont j'utilise les réseaux sociaux, c'est euh, tout d'abord, tout d'abord, comment le plus important, c'est parce que ça me plaît, c'est un truc que j'aime faire. Genre, ça veut dire que <laughs> je peux faire ça 100 ans, genre, même, je jamais sentir ça, quoi. C'est pas un travail pour moi parce que c'est une passion, quoi. si je fais pas ça, je me sens pas bien. Donc, ça veut dire que tout, à partir de là, on est, on est comment on appelle ça, genre, euh, l'utilisation pour moi, comment elle est naturelle, quoi. Mhm. Après, j'utilise ça aussi pour les entreprises, pour communiquer pour les entreprises. Parce que il faut savoir que ce qu'on fait n'est pas gratuit, quoi. Les gens ne savent pas que, voilà, il faut des dépenses, quand même si c'est des petits transports que tu donnes aux gens, euh, le gars qui va te filmer, ça, tout ça, là. C'est des dépenses qu'on fait. Donc, on communique pour les entreprises pour pouvoir subvenir, quoi, à ces, à ces dépenses-là. Mm. Et voilà, quoi. Donc, euh, j'utilise ça pour communiquer pour les entreprises et pour promouvoir nos talents, quoi. Et aussi promouvoir le Niger, quoi. Il ne faut pas l'oublier. Parce que j'ai un peu voyagé à travers le monde et les gens sont vraiment impressionnés par ce qu'on fait. Il y en a qui s'inspirent même de nous. Les gens ne savent pas, mais il y a des, il y a des comédiens, il y a des web comédiens internationaux qui s'inspirent de ce qu'on fait, quoi. Qui prennent nos idées ou des Nigériens. Parce que, moi, pour moi, les Nigériens, ils sont trop drôles. C'est juste que les gens ne sont pas encore au courant. il faut qu'on travaille pour que les gens soient au courant. Il faut un talent pour comprendre les réseaux sociaux, l'algorithme, comment ça fonctionne, pour que nous-mêmes, on s'impose, quoi. Parce que là, mm. les gens maintenant ont commencé à comprendre avec l'avènement du CNSP, tout ça. Là, les gens, euh, le nom du Niger, c'est un peu comme une sorte de clickbait. Quoi. Quand tu dis Niger, les gens viennent taper, on va te donner des j'aime. Et c'est ça qui guide les gens hein, en vrai. Quand je sais que si je parle du Niger, je, vais avoir des j'aime, comme, un peu comme la Côte d'Ivoire. Quand tu dis Côte d'Ivoire, ils vont te soutenir. Donc c'est mm. ça aussi, les Nigériens doivent penser à soutenir les gens dès que tu mhm. vois un Nigérien, like. <laughs> Euh, Wanouski, vous êtes euh, dans ce domaine depuis 8 ans, c'est ça Et quand vous, regardez votre parcours et en prenant bien sûr un peu euh, du recul, est-ce que vous êtes satisfait Ouais, je, suis, je suis plus que satisfait mhm. parce que j'ai eu des trucs que je ne pensais même pas avoir quoi, en faisant ça. Euh, tu, tu, rencontres des gens, tu rencontres des nouveaux amis, des gens qui te conseillent, euh, euh, tu, tu, gagnes un peu d'argent aussi. <laughs> donc tu, fais un truc noble pour moi parce que le métier d'humoriste c'est un métier noble parce que tu fais rire les gens quoi. Et quand tu fais rire les gens, euh, y a la, c'est ça qui est à la base de la paix, quoi, parce que nos, nos, nos, aînés, nos, grands-parents, ils ont utilisé euh, la parenté à plaisanterie pour, euh, pour, euh, pour soigner une société, quoi, tu vois, parce mhm. que au qu'au Niger, tu vois, à cause de cela, maintenant, il n'y a pas de tension, il a pas vraiment de tension entre les ethnies, parce qu'il y, a ce truc-là, quoi, tu peux tout, de suite désamorcer avec l'humour. Mhm. Hein. Donc, attends, il ne faut pas que je me perde. Tu as, dit quoi là, quand la question <laughs> J'aime trop parler des fois, donc il c'était quoi la question <laughs> Est-ce que vous êtes satisfait Voilà, est-ce que voilà, parce que c'est un <laughs> métier noble, n'est-ce pas C'est un métier noble. Donc, euh, si tu fais rire les gens, ils sont contents. Euh, tu vois, le rire, euh, la paix, elle est, mieux que le poulet, mhm. si, on, si, on, réfléchit bien. <laughs> Donc, moi, je, suis content de ce que je fais parce que ça me fait nourrir. C'est un truc, c'est un plus pour la société. Donc, je suis vraiment satisfait, quoi. Et, et puis, je sais pas si, vous avez les statistiques, mais bon, il n'y a pas, beaucoup de Nigériens sur les réseaux sociaux. Et si tu as dépassé les millions de, des abonnés, bon, toutes les plateformes comptent vendu TikTok, tu vois, c'est des millions. Donc, tu vois, comparé au pourcentage des gens qu'il y a dans le pays, c'est c'est vraiment énorme, Super, euh, voilà, nous avons compris, ça n'a pas toujours été facile, mais avec la chance et les efforts, euh, euh, tout va bien pour Wanouski et nous l'avons compris, c'est un métier noble, l'humour, et ça te sert à non seulement rassembler les ethnies, mais c'est surtout à faire la promotion de la culture nigérienne. Avant de poursuivre, nous allons pour notre second tour en musique avec le titre Baxine de Noro ah, de DJ Mastataf et Monsieur Bachel. masoyiyata ina kike maman sabu gane ke ta kira tun da ke ta kira ina kike tera maso maso aina se bebe ayi ke bani nu ho ayi ke bani nu eske ne gondo no aina se ayi se that we said I see burning, I see I see No roses, I see mata hankali da baban sabga. shigo inda ba a shiga kuma ba a hita kuma ta sani na nemo naira naira ta sani na nemo dola dola ta sani na nemo euro euro ta sani na nemo saifa da in bata duka zan gwada miki so L'artiste et disque jockey Mastataf n'est plus à présenter sur cette émission. L'artiste crée et s'adapte à tous les styles des chanteurs avec lesquels il a collaboré jusqu'à ce jour. Et oui, le titre que vous écoutez nous parle de la place de l'argent dans les relations amoureuses dans ce feat. Si Bachel explique qu'il a été rejeté faute d'argent, Mastataf, lui, trappe en zarmant comment il maîtrise le jeu de séduction en misant sur l'argent. Est-ce que le bon de nos bi so sorga ka ai min fahamandi mandi ai min gongor mandi ai min maka nan ai ma yegin gande ba dai zan kai gono asite hai kul isma hai kul isidi hai kul askai ga dangewi kul pat ai kiwi baby ai kalamin kubara kalamin kala'ai koda ai gabai ah, ah, zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi zoi après cette pause musicale, nous continuons avec notre invité du jour, Wanouski Montana. Oui, Wanouski, eh, est-ce que vous envisagez de faire du cinéma grâce à vos talents d'humoriste Ouais, j'envisage de faire du cinéma parce que pour moi, ce qu'on fait déjà, c'est du cinéma, mais bon, à petit, à petit budget. Mhm. Donc euh, là, on s'entraîne à faire les plans qu'il faut, tout ça là. On réalise, on réalise beaucoup de vidéos. Pour moi, on a, on a assez d'expérience pour s'attaquer au cinéma ce qu'on compte faire très bientôt parce que j'ai déjà commencé à prévoir des, scénarios trop cool que les gens vont auxquels les gens vont s'identifier et je suis sûr qu'ils seront fiers de voir ce qu'on va Des courts-métrages Des courts-métrages et aussi des longs-métrages, Inch'Allah. Super. Alors, euh, parlant de ça, quel est votre processus de création lorsque vous élaborez de nouvelles idées humoristiques Ok, d'accord. Maintenant, quand je veux, quand je créer des vidéos, euh, c'est que il faut savoir que tout le monde a, cette fibre créatrice, créative, on dit, il faut corriger mon français, mhm. ouais, dans, dans, son cerveau, mais les gens ne s'en servent pas. Par exemple, tu vas avoir une idée drôle, mais tu ne peux pas prendre ça, tu vas t'amuser toi-même avec ça, tu ne peux pas prendre ça et garder ça quelque part, ou bien produire quelque chose avec. Mais moi, dès que je sais qu'un réflexe que j'ai, dès que je m'inspire, dès que quelque chose m'inspire, j'ai envie de, de, de, créer, je, tu vas voir dans mon téléphone là, je note tout ce que je tout, tout, tout ce que j'ai comme idée dès que quelque chose me vient en tête je, note ça et euh, si j'ai besoin de créer des vidéos je, je, vois un peu un thème qui me convient j'arrange ça un peu parce que j'ai aussi fait une formation avec les Aisha Maki quoi c'est financé par le CCA Centre culturel américain à l'époque euh, ils nous ont un peu appris les bases quoi donc euh, tout ce qu'on va dire là comment le talent tout ça là il faut un peu s'éduquer en fait quoi sur mhm. comment ça fonctionne quoi les petits courts métrages parce que c'est vraiment un métier quoi, que les gens ont fait. Tous les problèmes que tu vas rencontrer, les gens vont rencontrer ça. Donc, euh, si on t'éduque un peu, tu vas éviter, tu vas t'éviter des, des, problèmes, tu vas un peu savoir c'est quoi le, la, marque qui fabrique du truc. Quoi. Mhm. donc, c'est comme mhm. ça j'ai un peu appris comment on fait les scénarios. Et donc, quand je veux faire des vidéos, j'ai l'idée parce que c'est ça qui est le truc principal. Après, il y a le choix des acteurs. Quoi. J'ai mes amis que j'ai tous transformés en, en, en acteurs, tu vois. Donc, <laughs> en parlant de ça, on, on y vient. Déjà, on ne te voit presque jamais seul dans tes et est-ce que c'est une équipe ou bien c'est des amis avec lesquels euh, tu collabores seulement du jour au lendemain Ouais, ouais, c'est principalement des amis. Quoi. On a commencé entre amis et jusqu'à présent, ça reste entre amis. Et puis les gens pensent que des fois, on est méchant, on n'aime pas mettre les gens dans les vidéos, mais c'est parce qu'on a essayé plusieurs fois. Et par exemple, nous, si on vient, on fait déplacer tout le monde, c'est de l'argent qu'on va dépenser quoi, pour toute une journée de tournée. Maintenant, toi, tu viens, tu n'as pas fait le, tu n'as pas fait le boulot quoi, pour que tu sois bon et qui quand on te dit vas-y, fais ce rôle-là toi, tu vas bégayer, tu as peur de la caméra, tu es là, tu es stressé. Donc, tu vois, tu nous fais perdre du temps, quoi. Au lieu qu'on fasse euh, plusieurs vidéos, peut-être on va faire une seule vidéo parce que tu, as tu étais là, on a fait deux heures de temps pour que tu dises une phrase. Bro, on va pas t'appeler encore. <laughs> Et puis, on va avoir peur demain quand quelqu'un va nous appeler, il va dire, il veut rentrer dans les vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, ouais, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont qui ont pris ces risques-là, quoi, de se ridiculiser, quoi, sur les réseaux sociaux. <laughs> et heureusement que ça, c'est un truc qui est, grâce auquel les gens nous aiment. Donc, ça fait plaisir, quoi. C'est un bon pari, tu vois. Et Wanouski, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon humoriste euh, comme je dis, il faut, il faut du travail. Il y a des gens qui sont talentueux. Moi, je crois au talent. Il y a des gens qui, par exemple, nous, Roland, et là ça naturellement. Quoi. Moi, déjà, à la base, tu vois, je parle mal. Je n'articule pas bien quand même. Donc, il faut beaucoup d'efforts quoi, quand on fait les vidéos, tout ça. là. Donc, euh, moi, j'ai dû, faire, j'ai dû suivre des, des formations. quoi le centre euh, CCFN, tout ça, là, ils ont fait appel euh, grâce au, festival Riraniami. Mhm. Ils nous ont donné des formations pour avoir les bases, toujours les bases. Parce que dès que tu as les bases, tu peux, à partir de là, mettre un peu ta sauce et machiner. Donc, euh, il faut il faut s'éduquer. Il faut voir sur, YouTube. C'est un truc très important, quoi. Tu parles sur YouTube, voir les, des gens qui t'expliquent c'est quoi l'humour. Il y a des ficelles, en fait. Même si tu n'es pas drôle, c'est un mécanisme, quoi. C'est une réaction, quoi. On te dit un truc, on te surprend un peu et ça te fait rire. Ah, et maintenant, parlant des bases et des béabas et tout, hmm. et comment est-ce que vous gérez les réactions, mais surtout ce que je veux savoir, les attentes des fans quand vous faites des nouveaux sketchs Comment tu fais pour savoir ça Ça va plaire euh, à mon public, ça va plaire à mes fans il faut prendre, il faut prendre en compte la, vie des fans. Il faut prendre en compte la vie des fans, mais il faut pas trop se fier à ça parce que si tu te fies trop à ça, ça va un peu tâcher un peu ta, ta, manière de créer quoi. Donc tu prends leur avis s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il faut juste fouiller au fond de soi-même quoi, ce qui t'anime toi-même quoi, tu vois, ce que tu aimes vraiment quoi ce que tu aimes faire. Parce que les attentes, tu vois, les gens, ils ont chacun à son goût. Chacun, mhm. il y en a qui vont pas t'aimer, il y en a qui vont pas, qui vont te détester. Il y a quelqu'un, qui va tomber sur une vidéo de toi qui, qui n'est pas bien et pour lui, il a déjà cacheté que toi, tu es nul, quoi. Mhm. Donc, c'est pas grave, quoi, tu vois. Il y a des gens qui vont t'aimer parce que tu. Tu le fais Voilà, ouais. C'est pas. En vrai, en vrai, ce qui est important, c'est que tu t'assures que ce que tu fais là, toi, ça t'y va. Quoi. Voilà, tu as déjà collaboré avec nous, Roland mais Aïcha Maki, tu les, tu les as mm. déjà mentionnés. Et ces expériences, est-ce que c'était enrichissant pour toi Ouais, plus qu'enrichissante parce que euh, je me rappelle bien quand le jour où j'ai fait, euh, on a fait une, une, euh, une sensibilisation, vidéo de sensibilisation avec nous, Rolam et Maman mm. Gondwana. Bon, c'est à partir de là que j'ai commencé à. Parce que c'est. Tu vois, et eh, ils ont fait du salaire métier, quoi. Mm-hmm. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut que je prenne ce que je fais au sérieux, que je prenne ça comme une sorte de métier, quoi. Donc, ça, c'est un plus. Dès que tu as cette. Tu franchis cette étape-là où tu te dis, c'est ton métier, là, tu, même toi-même, tu vas sentir, quoi, le changement, quoi, dans ce que tu fais parce que tu prends mm. ça au sérieux. Mm. Wanouski, est-ce que vous avez des projets en vue qui pourront susciter l'intérêt de vos fans qui nous écoutent même en ce moment Oui, on a un, projet là en ce moment qui nous tient à cœur, c'est une tournée qu'on va faire euh, sur les territoires national on va partir à Dosso, Zander, Agadez, bon, toutes les villes, quoi. Il ne faut pas que j'oublie, sinon les gens vont <laughs> se, fâcher. <laughs> Euh, donc, euh, on va faire un spectacle avec les personnages qu'ils connaissent, les DMX, tu vois, tous les personnages qui sont dans les vidéos. On va faire une sorte de théâtre, tu vois. On va essayer, essayer aussi de, renforcer la cohésion sociale, tu vois, à travers ça, parce que les rires, moi, pour moi, ça guérit tout, hein. ça, ça peut guérir tout. Euh, même un mariage qui ne marche pas bien, si tu mets un peu d'humour là, <laughs> <laughs> ça, guérit tout. Donc, euh, c'est vraiment un truc qui me, qui me tient à cœur parce que c'est la première fois qu'on va faire ça. Parce qu'on fait tout ce qu'on fait ici à Niamey, les spectacles, les coucou à dire, les, les, les comédies clubs qu'on faisait, c'est tout, tout à Niamey là qu'on a fait. Mais cette fois-ci, on va partir à l'intérieur du pays parce qu'il y a des gens qui nous suivent là-bas, qui nous aiment beaucoup et, et aussi ils méritent de nous voir. Mm. Tu viens de Maradi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller là-bas organiser un truc euh, pour, pour, les gens qui sont en Maradi À part euh, cette tournée que tu comptes Voilà, justement, je n'ai jamais, jamais fait quelque chose euh, en tant qu'humoriste à Maradi, parce qu'avant j'étais danseur, on faisait des petits spectacles à Maradi pour les gens. Donc là, cette fois-ci, je pars en tant que, avec ma casquette de comédien quoi, à Maradi. C'est à partir du 3 août au 22 août, Inch'Allah. Ça va commencer à Maradi. Super. Est-ce que tu as un petit conseil pour qu'on finisse à donner à tes fans qui nous écoutent en ce moment ou bien les jeunes qui veulent se lancer dans l'humour web Ok, d'accord. Si vous avez envie de vous lancer dans l'humour, il faut vous assurer que vous le faites pour des bonnes raisons. Euh, parce que si vous le faites pour de mauvaises raisons, vous allez souffrir. Euh, et si vous le faites pour des, même si vous le faites pour des mauvaises raisons, on va dire, vous, commencez à faire. Il faut vous assurer que vous êtes éduqué, vous savez de quoi vous, parlez. Euh, évitez éviter euh, de vous mettre dans des histoires qui ne vous regardent pas. <laughs> Euh, <laughs> juste faire les choses bien et vous professionnaliser, quoi. créer, si vous êtes à un bon niveau créer une entreprise avec un nom, un être en règle, tu vois, tout ça là. Ça va beaucoup vous aider parce que les entreprises ne veulent pas travailler avec les gens qui ne sont pas en règle. Mhm. Donc c'est ça quoi, qui fait que nous, on avance et on écoute les gens. Quoi. Il y a des aînés qui nous, donnent des conseils tout le temps. On ne fait pas les connaisseurs, on, écoute. Voilà, merci beaucoup Wanouski euh, Wanoski d'avoir répondu présent à cette invitation du studio Kalango. Nous te souhaitons une bonne journée et une belle carrière. Ah, merci beaucoup, c'est un honneur, ça a été agréable et merci de m'inviter encore une fois. Parce qu'il y a votre climatisation là, il est bien, hein. j'ai adoré. <laughs> Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve juste après cette courte pause pour la rubrique. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique. Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. La rubrique hebdomadaire de ce lundi 15 juillet nous parle des questions de droit. En effet, les maisons carcérales sont des établissements conçus dans le but de garder des détenus en conflit avec la loi afin qu'ils purgent leur peine. Mais il arrive que certains parmi eux s'échappent et disparaissent dans la nature, d'autres sont rattrapés et remis en prison. Cette attitude n'est pas sans conséquences pour ces derniers. Pour en parler, Anissé Karim s'est entretenu avec euh, Umoru Gagare Bila. Il est substitut du procureur près du tribunal de grande instance d'Agadez. On écoute. Qu'est-ce que l'évasion C'est l'effet pour euh, une personne de s'enfuir euh, ou de tenter de s'enfuir d'un lieu où elle est détenue, donc euh, en vertu d'un ordre de l'autorité. Quelles sont les personnes susceptibles de poursuite pour évasion Il y a d'abord les détenus eux-mêmes, ensuite les personnes gardiens préposées, chargées de la conduite du transport ou de la garde des détenus. Il y a en fait les tiers aussi, c'est-à-dire toute personne qui euh, accomplit certains actes énumérés par les dispositions légales dans le but d'assister, d'aider ou de faciliter la fuite d'une personne des lieux de détention détentions euh, légale en vertu d'un ordre de l'autorité. Quand commence l'exécution de la peine d'évasion À l'article 197 du Code pénal qui dispose, je cite, la peine prononcée sera subie immédiatement après l'expiration des celle que le détenu aura encouru pour l'infraction motivant la détention ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qu'il aura acquitté ou renvoyé absous de la dite infraction. Donc, c'est dire que, en fait, la peine prononcée en vertu de la culpabilité prononcée contre quelqu'un pour évasion, elle commence à être purgée à partir du moment où le détenu finit de purger la peine de l'infraction pour laquelle il était détenu avant de s'évader. Donc, euh, il peut s'agir euh, aussi d'un cas où pour l'infraction pour laquelle il était détenu avant de s'évader là, il a été acquitté, en tout cas déclaré non coupable, acquitté ou absous. N'empêche que si, au cours de la détention préventive, il a eu à s'évader, même s'il est relaxé pour l'infraction pour laquelle il était détenu. En ce moment, la peine qui sera prononcée à son encontre pour l'évasion va commencer à être exécutée à son encontre. Quelles sont les peines encourues en cas d'évasion Il est important de relever que, compte tenu de la variété des formes de l'évasion, les peines sont variables en fonction des cas. selon que ça concerne les détenus, les gardiens ou préposés ou les tiers qui ont donc euh, tenter de procurer, faciliter euh, l'évasion ou faciliter la fuite, après l'évasion. Mais pour l'essentiel, ce qu'on peut retenir, c'est que ça renvoie aux articles 6 au 25 du Code pénal s'agissant de la peine ou des peines, parce que ce sont des peines délictuelles, donc euh, des peines correctionnelles, c'est-à-dire en clair des peines dont le quantum minimum est supérieur à 30 jours et le maximum inférieur à 10 ans. Donc l'autre aspect qu'il faut relever, c'est que il y a des circonstances effectivement qui peuvent aggraver les peines. C'est l'exemple du cas où l'évasion est commise avec euh, violence, donc euh, ou bris de prison. Y a-t-il des circonstances attenantes en matière d'évasion En principe, il y en a, mais dans certains cas expressement énumérées par les dispositions notamment euh, de l'article 201 du Code pénal. Donc euh, les personnes passibles de poursuite dans ces cas-là euh, ne peuvent se voir en fait appliquées par le tribunal les dispositions relatives aux circonstances attenantes et aux sourcils. Donc pour toutes les autres infractions, c'est à dire que et d'évasion parce qu'il n'y a pas qu'un cas. Les circonstances attenantes peuvent être appliquées sauf pour les cas prévus donc à la ligne 2 de l'article 197, c'est-à-dire si l'évasion a eu par bris de prison ou violence. Et ça devient même une circonstance aggravante dans ce cas qui fait monter l'emprisonnement de six mois à deux ans. C'est aussi euh, la même exclusion pour les cas d'évasion prévus à l'article 199 du Code pénal, c'est-à-dire pour les gardiens ou préposés à la conduite au transport ou à la garde de détenus qui aura euh, tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n'a pas été consommée ni tentée. Donc, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l'insu du détenu. Dans ce cas, les personnes, notamment le ou les gardiens, donc passibles de poursuite en vertu des dispositions de l'article 199, ne peuvent recevoir application du tribunal des dispositions relatives aux circonstances attenantes et aux sursis. Donc c'est seulement dans ces deux cas-là que la juridiction ne peut pas faire application des dispositions relatives aux circonstances attenantes et aux sursis. Donc en règle générale, les circonstances attenantes et le sursis ne sont pas exclus pour les infractions d'évasion en dehors de ces deux cas-là. Peut-on parler d'excuses en matière d'évasion Effectivement, euh, en matière d'évasion, comme dans bien d'autres cas, il y a euh, des excuses parce que l'article 204 euh, dispose clairement, je cite, aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou de faciliter une évasion si avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires et leur en ont révélé les auteurs. Il faut souligner que, en fait, le texte vise surtout la tentative de vouloir procurer ou de faciliter une évasion. Et l'excuse n'est admissible et le conditions si avant que la tentative n'aboutisse. Donc, euh, l'évasion préparée ou facilitée avant qu'elle ne soit réalisée, si ceux qui ont facilité ou tenté de faciliter ont porté le projet à la connaissance des autorités administratives ou judiciaires. Si aussi elle porte à la connaissance de ces autorités qui sont les auteurs. Merci Anissé Karim pour cet entretien intéressant. Chers auditeurs, un autre tour en musique et pour ce troisième tour en musique, chers auditeurs, nous, nous vous emmenons avec euh, nous dans l'univers d'Abel Zamani qui nous vient avec le titre Bawasaba en featuring avec Morel. como yo como tú, como tú, bam wanda yana yanga in ka zaka sha kutu kutu kutu kutu kutu zaka sha kutu. Ana ni ban wasa kun ban wasa tun daga ya kore shi in kune ya jiji ya tira in sun sha sai mun sha. negatin ina jinjiri une mise en garde à la concurrence, une façon de leur dire qu'ils sont là et plus engagés que jamais dans le game. Cette chanson a eu une touche encore plus light avec la participation de Morel, un roi de la trappe du Nigeria voisin. son wasa sun ce sun fi gudun titre Bawa Saba, chers auditeurs, j'espère que vous avez kiffé de partout où vous nous recevez. Il est 11h passé de 36 minutes et nous allons pour le tour en région qui nous amène à Agadez où suite à des actes de vandalisme sur les installations de la Nigérienne des eaux, une mission de la direction régionale de l'hydraulique est arrivée à Arlit pour constater les dégâts afin de solutionner le problème d'accès à l'eau potable à la population de la dite localité. Et notre correspondant Gungu Mandantani a suivi la mission. Voici son reportage. Gyaran da kamfanin gidan ruwa na ƙasar Nijar ya wa riyojin foraj nan biyu da suka lalace ya baiwa al'ummar Arlit da akokan damar samun ruwan sha. Sai dai har yanzu ana fuskantar rashin ruwa jehi-jehi a wannan garuruwan biyu. Biyo bayan an yi larwan layin bututun da ke ɗaukar ruwan ya isa da su cibiyar tatar ruwan da kuma haƙarsu. an gano haddashin aika aikar banna ga wa'annan bututun da ke baiwa garin arli da akokan ruwa problem wajen fora jikin namu da ana hoshe tiyuka ana zub da ruwa abinda kamu arlit kenan kun san yan hoshe tiyukan nan dama ruwa bai nan ga isa garin arlit ruwan wanda ake hudda cikin fora ba su ga isan mutane kuma yan wace tun ba su iso gari wannan wani matsala na biyu ruwan suna iya wani guba shigan su inda ake hoshen nan in guba shi mutane sun sha su kuma matsala ne na lahiyar mutane wanda ake aika cikin gari. Wani mazaunin garin Arle ya bada shaida kamar haka. Mun je mun suke wuri guda uku an fashe su. Makiyaya da suke wuce nan sai su fashe tiyo don bisashen su su samu ruwa. To dole kuma ruwa su yi karamci cikin garin Arle. To saboda haka nan wannan tawaga ta zo a samu dubara wadda za a samu a ciwo kan wannan abun nan. Muna so inda son samu su 'yan gidan ruwa su doki sha da cikin masu gadi. An girka matakai domin ciwo kan wannan wannan matsalar na ganin an sauƙaƙa wa al'ummomin a cewar wakilin gwamnan jihar agadas jibrila ilyas mun zo na arlit saboda mu gani installation kin nigerian de zo mun ga regar wanda kwanakin baya aka yi vandalize saboda gani ya kori ji 'yan magana mun gani lalle wani wuri an karya mun yi reunion nan prefecture tare da partenaire na nigerian dezo a cikin bayanan da an ka yi mutane da yawa sun gai menene ya kamata a yi don samu a fita cikin wannan matsala na farin shine mutane a basu ruwa saboda mun gani a gaskiya example wanda yake gaskiya ya bata mana rai shine mun ga wani rakumi ya sa kanshi cikin rigar ya gaza fitowa ya mutu ciki kenan wannan abun shine aka ce kenan ya kamata a ba makiyaya ruwa a ba dabbobi ruwa kenan dole sai an yi musu born fontaine ko a musu forage ko a musu abrevoir kenan in an kai haka nan bisashe sun samu ruwa mutane sun samu ruwa kenan an samu lahiya ba a ƙara karye wannan tiyuka abu na biyu wanda mun ka gani wurare ne ya kamata a jami'an tsaro saboda su kula da wannan wurare wannan wurare ya kamata a kula da su a takaice wannan abubuwa biyu su ne mun ka ce ya kamata a yi su da gaugawa la nigerian da ko spain girka kwakwarun matakai kuma cikin gaugawa na gyaran ɓannar da aka yi a yi kuma rigakahi nan gaba ga duk wata aika-aikar ɓanna ta hakan za a samu baiwa mazamna biranen biyu tsabtatattun ruwan sha kai Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Mira, bonjour euh, Ruki. Bonjour Guruza. Ah bien. L'équipe de la nationale a été couronnée euh, leader euh, de la Super League du Niger. Oui, et la cérémonie officielle de clôture de cette Super League édition 2024 s'est déroulée Mercredi 10 juillet 2024 au stade municipal de Niamey en présence du président de la Fédération nigérienne de football, colonel-major Jibrila Hima Dipele, du président de l'AS Garde nationale, des représentants du ministère des Sports et d'autres invités. Vous, vous rappelez que l'équipe de l'AS Garde a obtenu son titre à la 34e édition ou bien journée de cette compétition première au classement final avec 73 euh, points, suivi de l'AS Fan, deuxième avec 110 euh, points. La championne AS Gare Nationale a reçu un trophée et un chèque de 20 millions de francs CFA. Le vice la vice-championne AS Fan a aussi reçu un chèque de 5 millions de francs CFA. Les trois derniers du classement euh, Mira, à savoir le Zumunta FC, Tagour de Dosso, Akokana Darlik, sont relégués au championnat de la Ligue nationale. La cigare nationale va représenter donc le Niger à la Coupe des champions et jouera contre Raja de Casablanca du Maroc. L'ESFAN va affronter ASC de Karad du Togo en Coupe de la Confédération africaine. Les matchs se joueront à partir du 16 août au 25 août 2024. Hors de nos frontières, Guruza, l'Ouganda va accueillir la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby. Oui, euh, euh c'est du 18 au 19 juillet 2024 au Mandela National Stadium d'Ouganda. Huit nations participeront au tournoi. Il s'agit de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Kenya, de la Namibie, de l'Ouganda, pays hôte, du Sénégal et du Zimbabwe. Nous venons, nous venons plutôt d'avoir la dernière date mise à jour, c'est du 18 au 29 juillet okay, 2024. Mais ça, c'est exceptionnel, donc je vais un peu corriger mon papier. Merci, tonton Gourouza, pour toutes ces informations sportives. à Place au portrait du jour. Dans la partie portrait de ce lundi, nous avons été à la découverte du reggae célébré tous les premiers juillet dans le monde. À cette occasion, notre reporter maria Adé est allé à la rencontre d'un reggae man. Il répond au nom de Amadou Kado Abdoulaye, plus connu sous le nom de Big Abdel dans le game. Voici son portrait. Né en 1989 à Maradi, Amadou Gadou Abdoulaye alias Big Abdel est un jeune artiste mana. Il a grandi avec la passion de la musique et espère devenir un jour un artiste de renom. Son histoire a commencé après avoir été lauréat du tremplin des jeunes talents. C'est à la sortie en 2020 de son premier titre Espoir que Big Abdel a gagné le cœur de beaucoup de jeunes mélomanes nigériennes. C'est qui a ouvert à portes du showbiz musical du pays. gabdel nous donne ses raisons pour le choix du reggae. Alors le reggae, c'est une musique révolutionnaire. À travers le reggae, on peut dénoncer, on peut conscientiser, on peut moraliser. Voilà pourquoi j'ai décidé de chanter en reggae. Moi, mon objectif, c'est de transmettre un message positif à l'égard de la société. Donc voilà un peu euh, ce qui m'a poussé à, chanter le reggae. L'artiste déplore le fait qu'aujourd'hui les plus jeunes ne s'intéressent plus au style reggae au Niger. Le reggae n'évolue pas comme ça se doit au Niger. Vraiment, si vous avez fait le constat, euh, nous n'avons pas assez de reggae man. Surtout jeunes, nous n'avons pas assez de jeunes reggae man au pays. Cela Peut-être, je sais pas, c'est peut-être lié au manque de moyens parce que l'artiste nigérien, il est toujours l'artiste nigérien Abdurrahman Haruna, plus connu sous le nom de Killer, et le promoteur ménagère d'artistes. Il témoigne de limites et du travail abattu par Big Abdel pour occuper cette place dans le monde de la musique où le reggae semble se perdre. Je dirais que ce qu'on retient de Abdel en tant qu'artiste, c'est surtout quelqu'un d'homme. Et je pense que l'humilité dans le milieu artistique, c'est une très grande valeur. Après, c'est quelqu'un aussi qui est très à l'écoute des anciens dans le domaine de la musique ici et il essaye de s'en inspirer. Big Abdel lance un appel à l'endroit des mélomanes nigériennes ainsi qu'à ses fans. Donc le message que j'ai à passer à l'égard de mes fans, c'est c'est quoi D'aller tout simplement sur euh, nos, pages Facebook, sur nos comptes YouTube. Il faut, il faut, il faut, ah, il faut s'abonner, il faut partager. En tout cas, il faut consommer, il faut consommer. C'est vraiment important. Pour la bonne marche de la musique nigérienne, il faut que les fans contribuent aussi, comme l'a si bien dit Big Abdel. Merci Mariam pour ce beau portrait. Ce matin, nous allons boucler notre playlist en, douceur avec cette mélodie de Fadi qui nous vient avec le titre Djangilova. Oh, ah, you know me dance right. Oh yeah, you make me feel like a dive, Like a queen and you're the life When you hold me like a bike, baby, you give me jungle. Oh. oh. Like seashells, me and you. Adventures in a pool. Then pictures for the proof. Calling me your precious boo. Ocean feels water blue. Sending things in Malibu. All over the place, like a zoo. Yes, my good, cause I coconut shampoo. We play fight like kung fu. If you drive me the rain, yes I do. You got me falling, I like you. We'll stand tall like bamboo. Try new food from Peru. Learning things so taboo, so taboo, yeah. You give me jungle, jungle, jungle lover, oh yeah. Jungle, you give me jungle lover, oh, oh jungle. You give me jungle lover, oh, oh jungle. You give me jungle lover. my lady, oh When you're away, oh yeah I can see straight, oh yeah You take the blur away You make my rain stop, yeah Si tu veux, fais de moi Ta femme, nous deux, on ira Très loin toi-même, tu verras Tu sauras, tu verras So I started taking slow Then he caught on to my emotion And I had to take him higher, higher, higher You give me jungle jungle, jungle lover, oh yeah, jungle lover. You give me jungle lover, oh ah, jungle lover. You give me jungle lover, oh ah, jungle lover. You give me jungle lover, oh yeah. You make me feel like a diamond, and it's grinning, you're the lion when you hold me like a python, baby. You give me jungle, love, oh, uh, baby jungle, love, jungle. Me, I want some jungle love. You give me jungle love. le titre Il est 11h euh, passé euh, de 49 minutes. Si vous venez de nous capter, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais ne vous inquiétez surtout pas. Vous pouvez la réécouter sur notre site web euh, www.studiocalango.org. Alors, qui sans plus tarder, au loti du jour. Oui, Mira, dans la rubrique loti de ce jour, euh, les femmes du studio Kalangu touchent du doigt le problème d'insécurité urbaine à Niamey et dans les autres grandes villes du Niger. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur ces derniers temps. Le vol à l'arraché, le braquage en plein jour sont autant de pratiques qui inquiètent la population de Niamey. Écoutons plutôt Salamoto Kadri et Talata Abdoubahar. Affairage, affairage, affairage, affairage. Mm, c'est bon. Ah, ah, mm, c'est bon. viva Biba, bonjour, comment vas-tu Je vais bien, Dieu merci. Et chez toi, ma chère, comment vont les bouts de chou Ils se portent très bien. Mais ma chérie, qu'est-ce qui te prend de compter de l'argent en pleine rue comme ça Tu as gagné au loto ou quoi hmm, J'aurais bien aimé que ça soit de l'argent gagné au loto. Au fait, je sortais de la banque et comme la salle était bondée de monde, je préférais faire le compte dehors, loin des regards indiscrets. Tu m'étonnes vraiment. Donc toi, tu trouves que dehors est plus sécurisé qu'à l'intérieur de ta banque. D'où sort-tu cette idée tordue Hé eh, ma chère, mon idée est bien fondée, je t'ai dit. Tu sais, paraît-il que parfois même dans les banques, il y a des bandits infiltrés dans la foule qui viennent pour des opérations bancaires et en même temps espionner ceux qui encaissent des grosses sommes. Hmm, tu veux me dire qu'il y a des personnes qui vont te suivre pour des petites miettes, bon, supposons que ce que tu as entendu soit vrai. N'empêche qu'à l'intérieur, tu es plus en sécurité. En tout cas, plus que dans la rue. Parce que là, tu t'exposes à des vols à l'arraché. Voilà quoi Ça a l'air grave de... Si je comprends, les voleurs enlèvent les personnes maintenant. Hé, eh, calme-toi. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux des caméras de surveillance qui montrent des bandits à moto qui ont menacé une femme à l'arme blanche, puis emporté son sac à main. Mais Niamey est dangereux dès en pleine journée. Gassa. Eh oui, en pleine journée, Il faut vraiment que tu fasses attention. Quand tu marches dans la rue, surtout ouvre grand tes yeux. analyse bien l'endroit, s'il est bien fréquenté, s'il est désert. Si tu as un doute, ne serait-ce qu'un petit doute, rebrousse chemin et trouve-toi un autre chemin. Ah, c'est fini. Je ne compterai plus mon argent sur la voie publique. Désormais, je n'irai nulle part sans mon mari ou mon petit frère. Mike Chinga, tu sais comment ils sont costauds, non Même si Bandi veut nous attaquer, il réfléchira à deux fois avant. Hmm, ce n'est pas une mauvaise idée. Cependant, dis-moi, ce n'est pas partout que tu seras avec tes gardes ils ont d'autres choses à faire. Ou bien Ah oui, tu as raison. Donc le mieux est que je fasse euh, attention à moi toute seule. Je choisis mes lieux à fréquenter et où mettre mes pieds en faisant très très attention alors. Voilà ma chérie. Tu as tout compris avec l'argent que tu as pris à la banque. Peut-être même que tu peux t'installer une, euh, un système de vidéosurveillance. Eh, hum. Ne ris pas de moi. Hein. Et puis ne profite pas de mon ignorance pour m'insulter des pauvres. Qu'est-ce que j'en sais De nos jours, on ne sait pas. Hein. Peut-être que ta pécule de contractuel a changé. <laughs> C'était le loti des femmes du studio Kalangu accueillant maintenant Samira Umoru pour la culture linguistique. Ce matin, elle nous vient avec le mot compétence en anglais. Hello Samira. Hello ladies and gentlemen. Good morning and welcome to your show Culture Linguistique. Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. En 2014, l'Assemblée générale des Nations unies proclamait le 15 juillet Journée mondiale des compétences des jeunes. In 2014, the United Nations General Assembly proclaimed July 15 World Youth Skills Day. Nous allons voir aujourd'hui les contours du mot compétence. Une compétence est une connaissance approfondie reconnue qui confère le droit de juger, ou de décider de certaines manières. Compétence en anglais veut dire skill. Un exemple. The work is difficult and requires a lot of skill. That means le travail est difficile et demande beaucoup de compétences. Cooking is a useful skill, qui signifie que la cuisine est une compétence utile. He has excellent social skills. That means il a d'excellentes compétences sociales. Les compétences spécifiques permettent aux employés d'accomplir leur travail plus efficacement, ce qui se traduit par une meilleure performance des salariés et de l'entreprise. Specific skills enable employers to perform their job more effectively. Cette journée est célébrée afin de montrer l'importance stratégique de la transmission aux jeunes des compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. Ladies and gentlemen, that's all for today. Join us next time, same time, same radio. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci Samira, chers auditeurs, n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer des mots dont vous souhaiteriez avoir l'explication dans les cinq langues où nous diffusons ou en anglais sur le 82 89 89 64. Justement, écoutons quelques-uns de vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. C'est le président des villages artisanal d'Agadez. Mon nom c'est Tanarissa. Studio Colongo fait partie des, programmes qui ne m'échappent pas. J'essaie de les écouter parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que ça touche le cœur de nos problèmes. Tellement que je vois Studio Colongo s'intéresse au domaine de l'artisanat. J'ai vu beaucoup d'artistes qui ont bénéficié des émissions de studio Colongo et c'est pourquoi je suis ce studio-là. Je le suis, je le suis sur les réseaux sociaux, sincèrement. C'est un programme qui touche nos problèmes. C'est un programme qui touche nos problèmes et en même temps un programme qui peut être une solution pour certains de nos problèmes. Il faut que vous continuiez de faire, de persévérer dans les dans le même sens. Aussi avoir des antennes dans chaque, euh, dans chaque localité pour que les artistes, les artisans sachent que vous êtes là. Donc euh, maintenant, c'est l'occasion de la lutte là, que vous êtes là c'est une occasion pour nous de profiter aussi. Mais si déjà euh, le studio est là, donc il y aura beaucoup plus de sensibilisation. C'est Tanilma Kombagi Je suis la vice-présidente du conseil communal de jeunes Les débats, vraiment, ce sont des choses qui, quand j'écoute ça, ça a de l'impact dans notre communauté parce que c'est dans ce genre de fadaï qu'on invoque vraiment les différentes problématiques qui sont là en train de déranger notre communauté. Et c'est de là vraiment qu'on trouve des solutions, qu'on donne vraiment des propositions qui vont vraiment alléger ou bien arranger certaines choses. Bon, j'écoute en germain parce que je comprends le germain, j'écoute en français, je comprends le français, donc euh, les restes en haussa aussi. S'il y aura des améliorations, c'est vraiment de refaire aussi pour amener d'autres thèmes, la délinquance juvénile pour la consommation des stupéfiants. ce genre de thèmes vraiment qui dérange la jeunesse d'Agadez, qui, qui, est un frein vraiment pour le développement de la jeunesse d'Agadez, pour les activités aussi génératrices de revenus pour les jeunes femmes tout ça là pour l'entrepreneuriat des jeunes aussi. Moi, c'est Hakim Ousmane. J'ai écouté les programmes de Studio Kalangu à travers euh, la radio Sarah FM. Et le programme de la soirée pour euh, l'information, les armes en Hausa, en français. Euh, ici au niveau d'Agadez, nous avons les correspondants du sud Kalangou qui sont là. Vraiment, ils touchent un peu ce qui se passe dans la région d'Agadez. C'est bien. tout ce que je pouvais dire, c'est de continuer toujours dans ce sens-là. pour pouvoir euh, amener la voix de jeunes d'Agadez euh, au niveau des sido Kalangou. Ici prend pour cette émission de ce 15 juillet. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment avec nous. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs. Merci aussi à tous ceux qui ont rendu possible cette émission. À la présentation, c'était Samira Rouafi et moi-même Rukayetou Abdraman. L'édition est assurée par Adama Dawachi. La technique, c'était tout simplement Abdelkader Tchombiano. N'oubliez pas de rester connecté pour la suite de nos programmes à partir de 17h. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée et à demain pour de nouvelles émotions radiophoniques. Bye bye. Bye.